le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum 17 minutes au studio Kalangou. C'est l'heure du forum au micro Hamadou Moumouni. Bonsoir à tous. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés à Niamey et relayés à travers le réseau des radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions et des localités d'Arlit, Filengue, Birningaure, Chirozérine, Magaria, Tamaské, Bouza, Dolbel et Saï. Pour le forum de ce lundi 5 septembre 2016, nous, ferons, nous vous ferons le point sur l'acheminement des pèlerins en Arabie saoudite pour le Hajj 2016, le commissariat à l'organisation du Hajj et à la Oumra, par la voix de son chef département formation encadrement, assure que tous les pèlerins vont être acheminés dans le délai. Puis nous irons à, Dir, à Dirkou, qui a enregistré d'importants dégâts à la suite des inondations du 27 au 28 août dernier. Le maire euh, Boubakar Mohamed nous en dira plus. Un mot sur l'accord sur le climat de la COP 21 adopté en décembre dernier les États-Unis et la Chine ont créé la surprise en le ratifiant samedi dernier. Le coordinateur du réseau des journalistes pour un environnement sain, il l'a canné sans réjouit et pense que cela va créer un effet d'entraînement sur les autres pays qui n'ont pas encore signé. Enfin, pour vous qui êtes amateurs du net, n'oubliez pas qu'on peut vous nuire à travers vos boîtes mail, qu'on peut vous faire chanter à travers des réseaux sociaux comme Facebook, WhatsApp, Skype et bien d'autres. Pour comprendre les méthodes des cyberdélinquants, vous suivrez un spécialiste à la matière. Oui, les vols des pèlerins nigériens pour le Hajj 2016 se poursuivent et prennent fin en principe aujourd'hui. Le premier vol charter transportant les Nigériens candidats au pèlerinage a quitté dimanche 28 août dernier à l'aube, vous vous en souvenez. Gung Mohamed Dantani s'est entretenu ce matin avec le chef euh, département formation encadrement du Coho, assurant l'intérim du chargé de communication. Il nous fait ici le point de l'acheminement des pèlerins nigériens. Par la grâce de bon Dieu, le Tout-Puissant et le Tout-Miséricordieux, l'acheminement des pèlerins en Terre Sainte s'est passé dans de bonnes conditions. Comme prévu, jusque-là, les dates de départ, de décollage des pèlerins vers la Terre Sainte est respectée avec précision. À ce jour, combien de pèlerins sont acheminés et combien il en reste À la date d'hier, 9340 pèlerins ont été acheminés en Terre Sainte. Le total des pèlerins acheminés à la date d'aujourd'hui est de 10 211. Il faut se rappeler que le total des pèlerins que la compagnie Fly El Nas doit transporter en Arabie Saoudite est de 11 158. Quand on soustrait les 10 211 pèlerins transportés en Arabie Saoudite, il nous restera 947 pèlerins qu'on n'a pas transportés et qui seront transportés, Inch'Allah, d'ici jusqu'à demain. Comment se passe le séjour euh, des pèlerins déjà sur place Les premiers pèlerins qu'on a eu à transporter en Terre Sainte sont déjà maintenant descendus à la Mecque. Le reste des pèlerins sont en train d'accomplir les rites des ziyaras à, à Médine. Donc euh, jusque-là, on n'a pas reçu des plaintes ou bien des désagréments, le séjour des pèlerins se passe dans des bonnes conditions. Quel appel lancez-vous à l'endroit des parents, amis et connaissances des pèlerins comme nous venons de le dire, le pèlerin, en tout cas nigérien, en Arabie saoudite, se porte en bonne santé. Nous demandons à l'ensemble, comme le Hajj, c'est une affaire du tout le monde tous les musulmans, nous demandons à l'ensemble des parents et des Nigériens en général d'implorer le Tout-Puissant pour que, en tout cas, les pèlerins passent euh, leur euh, âge dans de bonnes conditions et que les retours des pèlerins se passent aussi dans de bonnes conditions. Merci. Voilà, Banaga Nadil, euh, chargé du département formation encadrement du commissariat à l'organisation du Hajj et de la Oumra, assurant que tous les pèlerins seront acheminés dans le délai pour le Hajj 2016. La formation organisée à l'intention des leaders religieux musulmans et chrétiens en Maradi a pris fin cet après-midi depuis vendredi, il s'agissait pour le programme Paix à travers le développement PDF2 d'initier ces leaders religieux à l'utilisation des réseaux sociaux pour mieux lutter contre l'extrémisme violent. Au sortir de la rencontre, euh, c'était une certaine satisfaction. Alors, Massaoud Ibrahim, le chargé de programme principal PDF2, explique au micro de notre correspondant de la région, Mohamed Maman, ce que c'est l'extrémisme violent. L'extrémisme violent, c'est un état d'esprit qui naît chez un individu. Et c'est pour des raisons soit idéologiques, soit politiques, soit religieuses, que les individus effectuent un tournant soit individuel, soit collectif vers l'extrémisme violent. Parce que ces individus pensent que, en utilisant la violence, ils peuvent transformer d'autres individus ou des communautés entières pour que euh, ces dernières répondent à leurs aspirations politiques, idéologiques ou autres. Et donc, l'utilisation de la violence, tous azimuts, signifie simplement que les individus ou les groupes d'individus qui sont devenus extrémistes violents sont des délinquants sociaux, tout simplement. Vous parlez euh, de, lutter contre l'extrême surveillance à travers les réseaux sociaux. Euh, dites-nous pourquoi euh, spécifiquement à travers les réseaux sociaux. Nous avons choisi les leaders religieux pour les former sur l'usage de la messagerie Internet, notamment les médias sociaux. C'est pour que ces derniers connaissent d'abord l'outil informatique, la messagerie électronique, la navigation donc Internet, à travers les réseaux sociaux, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui sont blotties derrière la religion et qui propagent de fausses informations à caractère religieux. Alors, il y a qui pour corriger euh, toutes ces fausses informations, toutes ces propagandes qui ternissent l'image de la religion Il n'y a que les leaders religieux. Mais les leaders religieux nigériens, dans leur grande majorité, ils ne connaissent pas l'outil informatique, à plus forte raison l'Internet et tout ce qu'elle comporte. Euh, comme à toute chose, il y a un début. Nous pensons que en commençant à les initier à l'outil informatique et à la navigation Internet, ils connaîtront ce que c'est que les réseaux sociaux, notamment Facebook et Twitter. Ils connaîtront donc euh, comment se connecter, comment chercher des informations, comment euh, démentir toutes les informations euh, euh, mensongères à caractère propagandiste euh, provenant des groupes extrémistes violents et, et qu'ils soient à mesure, n'est-ce pas, de les corriger de diffuser la vraie information et de cette façon-là, nous pensons que on peut les, leaders religieux qui ont la science théologique, ils peuvent réduire les risques de propagation des idées extrémistes à travers euh, l'Internet. Donc c'est important pour eux aujourd'hui, l'outil informatique selon vous à euh, tous les participants que nous avons réunis qui viennent de Tilaberi, Difa, Agadez, Tawa et Maradi ont reconnu l'importance de l'Internet aujourd'hui. Ils ont reconnu l'importance euh, des médias sociaux. Pourquoi Parce que nous sommes rentrés dans les médias sociaux nous avons trouvé des exemples de fausses informations. Nous avons créé des profils Facebook pour tous ces leaders religieux-là que nous comptons mettre en réseau et que nous comptons appuyer euh, d'une autre manière avec euh, la connexion Internet, euh, n'est-ce pas Et je pense bien qu'à partir de ce moment, il s'agira tout simplement qu'ils prennent des engagements forts afin qu'ils soient actifs sur le net dans le cadre de la lutte contre l'extrémisme violent. Et selon vous, euh, c'est une manière efficace de, faire face euh, à l'extrémisme violent Oui, comme euh, les groupes extrémistes violents utilisent tous les canaux de communication pour faire leur propagande. Et dans leur propagande, vous savez très bien qu'ils trouvent des jeunes naïfs, qu'ils endoctrinent, jusqu'à ce que ces derniers soient en mesure d'égorger leurs propres parents. Alors, les leaders religieux font déjà de la sensibilisation traditionnelle contre l'extrémisme violent. Alors, puisque le traditionnel ne suffit pas, les canaux de communication étant multiples aujourd'hui avec l'évolution des nouvelles technologies de l'information et de la communication, je pense bien que c'est euh, un moyen qu'il faut utiliser dans le cadre de la lutte contre euh, ce fléau. Est-ce qu'il y a d'autres euh, domaines dans lesquels vous les avez formés afin de faire face donc à l'extrémisme violent Nous avons formé les leaders religieux, musulmans et chrétiens dans beaucoup de domaines, que ce soit la tolérance, euh, l'enseignement de la tolérance euh, et le prêche sur la base de la tolérance, sur la base de l'acceptation de l'autre dans sa différence, sur beaucoup d'autres modules tels que les techniques de communication. Vous savez, il y a des prêches incendiaires. Alors, à défaut de la régulation des prêches au Niger, nous pensons bien que en formant les leaders religieux dans les techniques de communication, alors ils seront, ils seront outillés à moyens euh, de communication efficaces qui leur permettent de transmettre des messages en temps réel vers un public bien déterminé, surtout les jeunes, qui sont la proie facile des groupes extrémistes violents. Et nous avons également formé les leaders religieux musulmans et chrétiens dans l'organisation des dialogues euh, intra et interreligieux pour que les uns et les autres s'acceptent d'abord mutuellement, qu'ils s'asseyent ensemble autour d'une table et qu'ils discutent de leurs euh, problèmes de vie quotidienne ensemble comme c'est Dieu qui a voulu que les communautés musulmanes et chrétiennes et même d'autres vivent ensemble. C'est ce qu'il a dit dans le Saint-Coran, wahida. Si Allah avait voulu, il aurait fait de vous tous une seule communauté. Alors, comme Dieu, la volonté de Dieu a fait que il y a des musulmans, des chrétiens et d'autres religions cohabitent ensemble, alors la cohabitation nécessite ou exige la compréhension mutuelle, l'acceptation de l'autre dans sa différence. Donc, euh, à travers toutes ces formations que nous avons données, en tout cas, les leaders religieux ont commencé à comprendre que l'autre qui n'est pas musulman ou l'autre qui n'est pas chrétien n'est pas à égorger, il n'est pas à chasser, il n'est pas à haïr. Il est, euh, et c'est Dieu qui lui donne à manger dans la compréhension de toutes les religions. Et donc, euh, ce qui fait que je dois vivre avec lui à lui sa religion et à moi ma religion. Je vous remercie. Voilà, vous venez de suivre Massoud Ibrahim, chargé de programme principal du programme Paix à travers le développement. Ce programme a initié une formation à l'intention des leaders religieux musulmans sur l'extrémisme violent à travers l'utilisation des réseaux sociaux. Sachez que la commune rurale de Dirkou, dans la région d'Agadez, a enregistré dans la nuit du 27 au 28 dernier une importante pluie qui a occasionné des inondations avec d'importants dégâts matériels. Alors, quel est le point de la situation Le maire de la commune de Dirkou, Boubacar Mohamed, répond au micro de Nafis Adam. Effectivement, dans la nuit du 27 au 28, il y a eu euh, vraiment une pluie diluvienne de 37 mm, ce qui est un peu paradoxal. c'est Nous, on enregistre euh, annuellement une pluie moyenne de 5 mm par an. Donc, euh, on se retrouve avec 37 mm en une seule journée. Il y a lieu ici de dire qu'il y a vraiment un bilan à faire parce que nous avons enregistré, à l'heure où je vous parle, 1131 maisons effondrées. Et 2809 euh, euh, sinistrés. À part les maisons effondrées, il y a eu des pertes en vies humaines, les dégâts enregistrés également. Heureusement, il n'y a pas eu, en tout cas, de pertes en vie humaine. Mais ce qui est sûr, c'est que tous ces sinistrés-là qui ont euh, stocké leurs vivres, vraiment, il n'y a rien, tout est parti dans l'eau. Donc, ils ont perdu leurs vivres, leur stock en alimentation. Donc euh, c'est tout ce que nous pouvons dire comme et le matériel genre euh, céréales ou tout ce qui est en vente sur le marché euh, vraiment emporté par la pluie. Une estimation des matériels ou bien des vivres Bon, pour le moment, je, ça, on ne peut pas essayer On est en il y a une équipe qui est en train de faire le, bilan et qui n'est pas parvenue. D'ailleurs, même les images, c'est vraiment par manque de connexion là-bas, nous n'avons pas eu la totalité de l'image. Bien que c'est envoyé par euh, clé, et nous allons amener ça bientôt euh, sur les voies, les zones de public pour annoncer ça. Sinon, euh, nous avons une équipe qui est là au départemental, la crise qui est chargée de, gestion des crises. Et ils vont faire le bilan pour nous communiquer ça plus vite possible. À l'heure actuelle, où sont recasés les sinistrés Ils sont là les édifices publics, les écoles et euh, là où vraiment il y a une construction en dur. Et vous savez, là-bas, souvent, c'est les maisons en paillotte qui sont plus résistantes que les maisons construites en banco. Euh, le grand problème qui s'est posé, nous, comme nous, ne sommes pas habitués à ce genre de pluie, euh, les gens ne font pas de bonnes fondations. Tout ce qui est maintenant enregistré comme dégâts, c'est parce qu'il n'y a pas eu de bonnes fondations. On ne comptait pas sur cette pluie. C'était par surprise que c'est venu. Et c'est maintenant que euh, vraiment les gens vont prendre conscience du changement climatique pour, reconstruire, vraiment faire des bons plans et une bonne habitation. Sinon, c'est des constructions en banco. Les sinistrés se trouvent maintenant dans les écoles. Pour en venir à cette question d'école, nous savons que dans une semaine, c'est la rentrée des classes. Donc, euh, qu'est-ce que le gouvernement fait pour euh, venir en aide à ces sinistrés Nous avons fait l'appel et euh, tout dernièrement, il la mission du ministre qui est chargé des, crises humanitaires qui est dans la région d'Agadez et aujourd'hui peut-être qu'il est dans, la région de Tawa. Nous avons lancé l'appel aux bonnes volontés pour venir en aide à cette population. Donc nous attendons ça et là vraiment les, les bonnes volontés. Quelle est l'aide que les autorités communales portent à ces sinistrés Tout ce que nous pouvons faire, c'est que déjà nous avons des stocks en céréales. C'est ce stock-là que nous voulons mettre à la disposition euh, de, cette population. Sinon, la commune en elle-même vraiment n'a pas les moyens nécessaires pour euh, subvenir à ses besoins. Donc un appel à lancer Oui, nous lançons un appel euh, surtout au président même de la République qui a vraiment un œil très attentive euh, sur cette région les plus reculées du Niger. Je sais qu'il euh, fait d'énormes efforts pour aider la population qui sont dans les zones les plus reculées. Ça, j'en sais quelque chose. Et nous lançons aussi aux autres bonnes volontés, les partenaires, surtout la Croix-Rouge et euh, le Croissant Rouge, tout ça, pour que vraiment qu'ils viennent rapidement en aide. Merci, monsieur. Merci bien. Voilà le maire de Dirkou, région d'Agadez, faisant le point de la situation euh, de sa commune à la suite des inondations qui ont occasionné d'importants dégâts dans la nuit du 27 au 28 août dernier. Les États-Unis et la Chine ont ratifié le samedi dernier l'accord sur le climat de la COP 21 adopté en décembre dernier à Paris. Cet accord vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre pour euh, faire face au changement climatique. Les États-Unis et la Chine constituent à eux deux seulement 42% des émissions de gaz carbonique. Le coordinateur du réseau des journalistes pour un environnement sain se réjouit de la signature de cet accord et pense que cela va créer un effet d'entraînement sur les autres pays qui n'ont pas encore signé. Je vous propose de suivre Illa Kani. La COP21, c'est la 21e conférence euh, des parties à la Convention cadre de Unies sur les changements climatiques euh, qui s'est tenue en novembre et décembre 2015 à Paris et qui a abouti à un nouvel euh, accord mondial sur les changements climatiques. Et qu'est-ce que ça vise L'accord en question vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre qui sont responsables des changements climatiques. Vous savez, depuis l'adoption en 1992 du protocole de Kyoto qui avait une durée de vie de 20 ans, le monde euh, n'a plus eu l'occasion encore de signer un autre euh, texte international juridiquement euh, contraignant sur le changement climatique. Il a donc fallu cette 21e conférence de Paris pour qu'après autre tractation et une diplomatie assez offensive de la France, on puisse donc convaincre la, plupart des pays du monde à donc s'entendre sur ce nouvel accord international sur le climat. Donc en résumé, cet accord vraiment vise à réduire de façon euh, considérable les émissions de gaz à effet de serre et parce que les scientifiques euh, ont fait des prévisions selon lesquelles si jamais euh, on maintient cette tendance donc d'émissions de gaz à effet de serre et d'ici les 20 ans, 30 ans à venir, la température du monde va augmenter de 5 degrés et ce qui va avoir assez de bouleversements sur l'ensemble, si vous voulez, du processus mondial. donc c'est de cette façon que l'accord a été trouvé à Paris. Une petite précision sur l'émission de gaz, comment ça se fait Comment il faut comprendre cela. Bon, l'émission de gaz, il y a beaucoup de facteurs qui favorisent euh, cette émission, mais d'après les scientifiques, euh, c'est beaucoup plus l'industrialisation. Donc, euh, c'est des gaz qui sont produits à travers un certain nombre de mécanismes, notamment industriels, et qui partent dans l'air, dans l'atmosphère, donc provoquer des bouleversements et qui ont pour conséquence, entre autres, donc les inondations qu'on constate ces dernières années un peu partout à travers le monde. Il y a une élévation du niveau des, des mers, il y a euh, des fortes chaleurs, ça je pense aussi on l'a vu au Niger. Mm. Donc euh, c'est entre autres, si vous voulez, les conséquences des changements climatiques euh, qui sont provoqués par les gaz à effet de serre. Donc c'est ça qui bouleverse aujourd'hui l'atmosphère mondiale et c'est dans ce sens donc que la communauté internationale a estimé nécessaire qu'on puisse donc aller dans le sens de réduire les émissions de ces gaz à effet de serre pour euh, ralentir donc euh, cette euh, progression des changements climatiques. Il se trouve que la Chine et les États-Unis, qu'on considère comme les plus grands pollueurs, ont refusé de ratifier l'accord de Paris. D'abord, pourquoi on dit que ce sont, ces deux pays sont les plus grands pollueurs Ce sont les pays en fait considérés comme étant les plus grands pollueurs puisque je le disais tantôt, l'industrialisation fait partie des facteurs les plus importants en termes d'émissions de gaz à effet de serre et tout le monde sait qu'aujourd'hui il y a une rivalité énorme entre les États-Unis et la Chine en matière donc de production industrielle. Donc euh, c'est là que le constat a été établi que ces pays, euh, si vous voulez, donc dans le cadre de cette guerre tous ces livres d'industrialisation, sont les plus grands émetteurs. On estime euh, leur taux d'émission à tenez-vous bien, à 40%. Donc vous voyez qu'ils ont presque la moitié des émissions de gaz à effet de serre sur le plan mondial. Aujourd'hui, ils acceptent de ratifier l'accord. Quelles conséquences ça a sur l'accord de Paris Franchement, je trouve que c'est une très bonne chose puisque comme on le disait tout à l'heure, euh, c'est deux pays qui sont les plus grands pollueurs. Donc, si aujourd'hui ils acceptent de ratifier l'accord, cela veut dire qu'ils vont donc euh, se soumettre à tout ce que cet accord avait prévu comme euh, obligation aux différents pays qui vont le ratifier, notamment entre autres donc euh, la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, on estime que si les États-Unis, la Chine acceptent donc de ratifier cet accord, on est presque euh, si vous voulez, pas très loin de la norme qu'on a arrêtée pour que la l'accord soit mise en vigueur euh, d'ici la fin de cette année 2016. Et la norme, se quoi C'est qu'on puisse euh, atteindre un niveau de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55%. Donc, euh, nous sommes déjà avec la Chine et les États-Unis à 40%. Il y a un peu plus d'un mois, le Brésil avait lui aussi accepté de ratifier cet accord. On estime le taux d'émission du Brésil à 2,5%. Et il y a les États insulaires, donc ce sont les États qui sont le plus souvent situés, et si vous voulez, dans des villes qui sont les plus par le changement climatique, et aussi vont ratifier cet accord très prochainement. Donc euh, d'ici à la fin de l'année, on estime euh, atteindre en tout cas euh, le niveau qui a été admis au niveau de l'accord de Paris pour qu'on puisse donc mettre en œuvre cet accord, c'est-à-dire les 55% d'émissions. Mmh. Je trouve que c'est vraiment une grande décision que la Chine et les États-Unis ont prise ici, puisque ces pays, c'est moi, j'ai été à beaucoup de conférences ils ont toujours euh, les conditions pour qu'on ne puisse pas aboutir rapidement à un nouvel accord sur le climat. Et si aujourd'hui ils se rendent euh, à l'évidence de leur responsabilité, je pense qu'il faut les saluer. Et je suis certain que cette décision qu'ils vont prendre va davantage galvaniser d'autres pays qui existent, notamment le Japon qui est aussi un grand émetteur. Et on estime en tout cas d'ici à la fin de l'année pouvoir réunir donc euh, les 55% de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour pouvoir mettre euh, en œuvre l'accord de Paris. Ça veut dire que tous les pays qui ont vont se donner les moyens financiers surtout pour faire face au changement climatique Oui, bon, on estime quand même que des pays comme la Chine, les États-Unis ont énormément de moyens pour pouvoir donc euh, s'adapter au changement climatique. La question c'est beaucoup plus euh, au niveau des pays en voie de développement, notamment les nôtres, qui n'ont pas assez de moyens. Et à ce niveau aussi, il y a un mécanisme financier qui est mis en place au niveau de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique qui permet donc euh, aux pays pauvres de pouvoir accéder à un certain nombre de financements dans le sens donc de mettre en œuvre un certain nombre de dispositions, en fait, des, euh, stratégies d'adaptation, parce que le changement climatique, on s'est rendu compte qu'on ne peut plus l'arrêter. Maintenant, la question, c'est euh, soit de réduire le gaz à effet de serre pour donc, ceux qui concernent les pays industrialisés et pour les pays en voie de développement, donc euh, pouvoir réfléchir sur des stratégies d'adaptation et par rapport donc aux retour de financement des pays industrialisés. Est-ce que le fait de ratifier veut dire que bon, ok, le problème est résolu Le problème euh, n'est pas résolu à 100%, je dis bien c'est un processus. Est-ce que c'est une contrainte réelle euh, ce n'est pas en réalité une contrainte, La l'accord n'est pas contraignant, les pays euh, le ratifient volontairement donc, euh, je pense que si ces pays aujourd'hui ont accepté de le ratifier, ça veut dire qu'ils se sont rendus compte de leur responsabilité donc, euh, par rapport à tous les problèmes que euh, la, planète est en train de vivre par rapport au changement climatique. Et je pense qu'il faut vraiment leur rendre un grand hommage. pour qui connaît comment les discussions même se passent au niveau des conférences sur le climat et pour qui connaît comment ces pays, donc, dont la Chine et les États-Unis, ont toujours constitué des blocages pour arriver à un accord. Je pense que c'est une grande avancée qu'on vient d'enregistrer ici et nous pensons en tout cas que euh, les prochains jours, les prochaines semaines, d'autres pays vont leur emboîter le pas. Oui, quand les États-Unis, qui est un grand bailleur de fonds, ou la Chine euh, acceptent de ratifier, est-ce que la conséquence pour des pays comme le nôtre, c'est qu'il y aura beaucoup d'argent pour pouvoir pour, pour faire face à, au changement climatique Oui, il y, a, tout ça, mais je crois que le plus important pour euh, cette décision qu'ils ont prise, c'est surtout la réduction des émissions de gaz, puisque même s'il y a des financements pour les pays pauvres, tant qu'on va continuer encore à polluer, à polluer l'atmosphère, et on ne pourra pas en tout cas faire de l'honneur. Mais je pense que le plus important, à mon avis, c'est d'avoir de réduire les émissions de gaz à effet de serre, puisque les experts ont démontré que tant qu'on ne réduit pas, on va encore continuer à, à d'autres phénomènes euh, naturels, euh, si vous voulez, extrêmes, notamment ce à l'heure les cyclones et tout ce qui s'ensuit. Donc, euh, le plus important, à mon avis, c'est moins le financement que la décision de réduire les émissions de gaz à effet de serre euh, pour ne pas polluer davantage l'atmosphère et créer des, situations qu'on ne veut pas peut-être gérer malgré le moins qu'on aura mis à la disposition du pays. Merci beaucoup, Ila. Voilà, il a Kané, le coordinateur du réseau des journalistes pour un environnement sain, il se réjouit de la ratification samedi dernier par les États-Unis et la Chine de l'accord sur le climat de la COP 21 adopté en décembre dernier à Paris. La cybercriminalité, vous connaissez Eh bien, c'est un crime commis à travers Internet. Aujourd'hui, ils sont nombreux, les cyberescrocs, les hackers, qui nous menacent, qui nous font chanter quotidiennement à travers nos mails et des réseaux sociaux comme Facebook, WhatsApp, Skype et bien d'autres. Les spécialistes de la question disent que 150 millions de mails sont envoyés chaque jour par les cyberdélinquants à travers le monde et 80 000 personnes se font arnaquer ou chanter. Pour parler de la cybercriminalité et surtout du cyberchantage, un invité, un ingénieur en informatique en la personne de Haruna Momouni, je vous propose de le suivre. Le cyberchantage, ça se fait via les réseaux sociaux, donc surtout Facebook, et ça continue vers Skype et peut-être WhatsApp ça consiste en la création de faux profils, donc que les, ces cyberdélinquants-là font passer pour des profils de femmes ou bien de filles, et, ils invitent d'autres internautes, donc qui vont être plus tard leurs victimes. Ils créent un dialogue direct avec ces personnes et à un moment donné, ils, euh, ils essayent de se familiariser avec la personne qui va se mettre, qui va se sentir en confiance à un certain moment et maintenant ils peuvent s'adonner à certains jeux donc euh, vraiment de d'exposition de nudité avec des promesses de concrétisation ainsi de suite et ils ils peuvent eux utiliser soit des vidéos donc de personnes inconnues soit des vidéos de personnes connues eux-mêmes donc euh, avec leurs complices des filles qui sont prêtes à exposer leur nudité pour inviter la victime à faire de même. Et dès lors que la personne expose sa nudité, à partir d'une webcam, c'est fini. Un autre profil va revenir ou bien un autre un individu va revenir dire à la personne que il va publier toutes ses vidéos donc et ses photos de nudité si ce dernier n'est pas prêt à lui envoyer de l'argent donc pour acheter son silence et c'est ça qui enclenche le processus de chantage. Pour ce que la supercriminalité on le connaissait déjà à travers les mails, mhm. mais ça prend surtout de l'ampleur avec les réseaux sociaux. Mhm. On va commencer par exemple par, Facebook. Comment ça se fait C'est par Facebook que ce dispositif de cyberchantage-là est beaucoup plus fréquent de nos jours. Mm. C'est vraiment le canal privilégié puisque c'est à partir de Facebook qu'on a une grande masse d'internautes donc d'un pays spécifique. C'est des bandes organisées qui scrutent ces réseaux sociaux-là pour trouver des individus qui ont intégré une petite situation et qui souvent sont mal informés de tous les dangers qui côtoient ces réseaux-là. Euh, oui, quand vous parlez d'une petite situation, des gens qui sont riches. Oui, des gens qui sont riches, mais pas forcément des gens qui sont riches parce que et on a l'habitude de rencontrer même des étudiants qui se font prendre au puisque ces gens, ils sont prêts à accepter, par exemple, l'envoi d'une somme de 25 000, de 20 000. Mais le danger, c'est que les, les requêtes ne finiront pas. Donc, dans le monde, en tout cas pour le moment, j'ai pas eu cas de ces situations au Niger, mais dans le monde, il y a plusieurs personnes qui se sont retrouvées ruinées et qui ont fini par se suicider. Il y a toujours des cas, même au Niger. Au Niger, il y a plusieurs cas. Et par exemple, euh, quelqu'un, donc euh, dont je tairai le nom bien sûr, qui a eu à envoyer et plus de 6 millions cumulés donc de francs CFA à son maître chanteur. À travers Facebook. À travers Facebook. Pour espérer avoir son silence. Sauf que chaque jour qui passe, les requêtes ne font que se multiplier, mm. donc ça ne finissait pas. Il y a Facebook, oui. il y a aussi WhatsApp, WhatsApp, qui est un réseau très utilisé. Oui, qui est un réseau très utilisé, donc qui est un moyen donc de communication qui permet via Internet d'envoyer des SMS, d'envoyer des MMS et d'envoyer même des, informations, donc vidéo, audio et des images. Et là-bas aussi, le phénomène avec... Euh, la, création des groupes WhatsApp et la création de petits clans. C'est des des informations qu'on partage, donc positives, mais il y a d'autres informations négatives qui sont partagées, euh, comme les, cas de revenge porn qu'on a eu, je pense que c'est l'année passée qu'il y a eu un cas d'une jeune fille dont les images de nudité se sont retrouvées partagées donc par des milliers de personnes sur ces canaux-là. À travers les réseaux sociaux, on peut toujours se faire prendre. On peut toujours se faire prendre. Que faut-il faire pour limiter au plus les dégâts Pour limiter vraiment les dégâts, on ne peut que qu'inviter les gens à la plus grande prudence, c'est-à-dire même lors de la création donc du compte, certains découvrent Facebook ou bien découvrent d'autres réseaux sociaux par le canal donc d'autres amis ou bien on les invite à s'inscrire. Lors de l'inscription, il est extrêmement important de savoir créer son profil et le sécuriser. Avec un mot de passe donc qui sera difficile à imaginer, donc qui n'a aucun lien avec la personne, c'est-à-dire que je ne dois pas mettre comme mot de passe le nom de mon enfant, je ne dois pas mettre comme mot de passe ma date de naissance, je ne dois pas mettre comme mot de passe mon numéro de téléphone. Quand on le crée, il faut aussi éviter d'accepter de dialoguer avec n'importe quel personnes qu'on ne connaît pas. Très souvent des prédateurs donc sexuels qui sont pris dans ces panneaux-là parce que on pense que c'est un canal où on peut trouver facilement des filles. Les gens n'ont qu'à faire attention. Personne ne leur interdit de faire ce qu'ils veulent, mais ils n'ont qu'à éviter vraiment de dialoguer avec des inconnus. Et surtout, ne pas accepter d'exposer sa nudité à une personne qu'on ne connaît même pas. Eh, il y a un autre aspect, c'est la piraterie à travers les mails aussi. Ça aussi c'est fréquent. Ça aussi c'est fréquent. Pour ça, c'est le même procédé. C'est vraiment de ne pas accepter d'avoir des mots de passe qui sont facilement imaginables euh, par d'autres. Quand on reçoit aussi des mails d'inconnus, éviter d'y répondre. Parce que il y a euh, souvent des gens qui vous envoient un, un formulaire ou bien c'est même pas un formulaire, c'est un petit texte comme ça où on vous dit que Yahoo ou bien euh, Gmail va fermer le compte parce que parce que parce que et que on vous demande de mettre votre nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, mot de passe pour euh, qu'on ne ferme pas votre compte d'ici, je le dis. Yahoo ou bien eh, Gmail, donc qui appartient à Google, ne va jamais vous demander de donner votre mot de passe. Et même dans votre entreprise, vous ne devez pas accepter de donner votre mot de passe à l'administrateur, votre mot de passe d'accès au email il est confidentiel et même l'administrateur n'en a pas droit. C'est vraiment personnel. Vous donnez des conseils aux gens, mais quelle autre forme d'aide vous apportez aux, internautes pour qu'ils essaient au minimum, au maximum de limiter les dégâts à travers les cybercriminels. Hmm. Depuis 2007, euh, 2008, comme ça, nous avons pris un peu l'habitude d'assister, mais vraiment de manière sporadique, les, ceux qui nous contactaient, donc avec les connaissances, tout ça là, pour essayer de les aider à ne pas tomber dans les pièges et quand ils tombent dans les pièges, de les aider à se relever. À partir de cette année 2016, le phénomène a été tellement amplifié, il y a tellement de cas, il y a tellement de, de cyberdélinquants qui se sont tournés vers le Niger parce que en Côte d'Ivoire et au Bénin et au Nigeria, au, Cameroun, ils n'ont plus cette possibilité-là, ils n'ont plus cette marge de manœuvre vu que euh, en Côte d'Ivoire, par exemple, la plateforme de lutte contre la cybercriminalité est là et les guettes, à tout moment. Ils, arrivaient, ils arrivent à les, euh, identifier, à les arrêter. Donc, sachant qu'au Niger, il n'y a pas ce, en tout cas, ce, dispositif, voilà, qui permet de le faire. C'est vraiment un terrain, donc un champ libre. Donc euh, il y a tellement de gens qui se font prendre que, et avec euh, certains amis, nous avons pris l'initiative de créer. D'abord, vous avez des cas, de nombre, le nombre de cas qu'on peut enregistrer, par exemple, à travers les mails. Pour le, pour le Niger, je n'ai pas les statistiques, mais je sais que dans le monde, il y a chaque jour 150 millions de mails d'arnaque qui sont envoyés et 80 000 personnes se font prendre chaque jour dans le monde. Ce qui est sûr, au Niger, il y a beaucoup aussi de cas, donc des gens qui se font prendre. Voilà, on va parler de votre initiative maintenant. On, a créé donc avec d'autres amis sur Facebook le groupe Niger Cyber Refuge, qui est une plateforme qui a été mise en place qui permet de sensibiliser les internautes, donc les utilisateurs de Facebook sur les différents dangers, les petites techniques, les petites astuces pour identifier les faux profils mais de l'autre côté, cette plateforme aussi est disponible pour aider de manière spécifique et en toute confidentialité les victimes donc de ces cyberchantages-là à se tirer d'affaires, donc à se débarrasser de leur maître chanteur et de manière totalement gratuite aussi. Et vous avez eu des cas que vous avez aidés On a eu par exemple les maîtres chanteurs. On a eu plusieurs cas donc euh, donc de victimes que et nous avons pu tirer de ces maîtres chanteurs-là. Il y a des gens qui étaient quand même pratiquement au bord du rouleau, puisque je me rappelle de quelqu'un qui a envoyé plus de 6 millions de francs CFA à son maître chanteur. Ici à Niamey. Ici à Niamey. Mais c'est quelqu'un d'important. Il ne pouvait pas accepter que sa nudité soit exposée. Donc il, est, il s'était retrouvé dans une situation où il n'avait pas le choix, il ne faisait qu'envoyer. Mm. Sauf que les requêtes ne finissaient pas. Absolument. Ah, mais comment vous aidez ces gens Bon, mais pour euh, l'aide qu'on apporte, ça dépend de la manière dont ça dépend du niveau qu'ils ont atteint avec ce maître chanteur. Si c'est déjà, par exemple, euh, il a déjà envoyé donc euh, ses photos, bien ses vidéos, le maître chanteur a commencé par lui demander de l'argent. S'il se tourne vers nous, c'est beaucoup plus facile de gérer cette situation. Mais les situations où il a déjà habitué ce maître chanteur là à recevoir de l'argent, c'est quelqu'un qui a déjà l'habitude d'envoyer de l'argent, c'est beaucoup plus difficile mais nous, nous utilisons en tout cas certaines petites techniques et d'autres moyens qui sont peut-être non conventionnels qu'on utilise pour que, en tout cas, le maître chanteur là puisse laisser cette personne en paix. Si on arrive à localiser le maître chanteur dans un pays spécifique et les pays dans lesquels, par exemple, si c'est en Côte d'Ivoire, si c'est au Bénin, on transmet aussi ces informations à cette plateforme donc de cybergendarmerie qui va utiliser ça comme en tout cas et indices pour essayer de détecter la personne. Par le passé, il y a eu des gens déjà qu'on a fait arrêter par ce canal-là. Ça, c'est pour Facebook, mais est-ce que pour WhatsApp, par exemple, euh, pour vous mis en place un système euh, d'aide Pour WhatsApp, non. Parce que pour WhatsApp, c'est vraiment les numéros de téléphone et on ne peut recevoir les messages de par WhatsApp que si on est membre d'un groupe spécifique. Toujours est-il que si quelqu'un, en tout cas, se retrouve face a des difficultés de ce genre-là, ils, sont toujours, ils ont toujours la possibilité de nous contacter à travers le groupe Facebook qu'on a créé, et Niger Cyber Refuge, et on leur donne des conseils pour, en tout cas, se tirer d'affaires. Niger Cyber Refuge ne prend pas en charge que les cas d'infraction qui se déroulent sur Facebook, même si c'est sur Skype, même si c'est sur la messagerie, donc Internet. Tout ça, on essaye en tout cas de prendre en charge. Rappelez-nous uh, votre, uh, votre site. Un groupe donc euh, sur Facebook. Si vous tapez Niger Cyber Refuge collé, c'est en un seul mot Niger, N majuscule, Cyber C majuscule, Refuge R majuscule. Dès que vous le tapez, donc vous allez euh, tomber sur le, le groupe et il suffit de demander à être ajouté et automatiquement on est ajouté. Mais même ceux qui ne sont pas membres, quand ils nous contactent, à travers euh, notre compte donc Facebook, ils ont toujours la possibilité de se prendre en charge sans distinction. Ok. Et pour finir, quel conseil euh, aux utilisateurs du net et des réseaux sociaux. C'est vraiment de les inviter à la plus grande prudence. Surtout aussi pour les enfants, les parents doivent tout faire pour les protéger contre l'utilisation néfaste de ces outils. Parce que ce, ce à quoi on assiste aujourd'hui, vous allez trouver un enfant, par exemple, de 9 ans et on pense que parce qu'on a un peu de moyens, parce qu'on a de l'argent, et on lui paye une tablette et on lui met une carte SIM pour lui dire d'utiliser pour accéder à Internet. Quand vous allez le faire demain, vous allez venir trouver l'enfant en train d'avoir des gens qui l'invitent sur Facebook, en train de l'entraîner vers des choses que vous ne vous n'aimerez pas qu'il fasse. Qu'est-ce que vous allez faire Donc vraiment, et aux parents de comprendre que c'est vrai qu'on est à une époque où on ne peut pas faire sans les technologies, mais il faut les utiliser de manière vraiment rationnelle. Et pour les adultes aussi, c'est vraiment la prudence extrême. Il ne faut pas avoir comme habitude de, de, donner confiance à des gens qu'on ne connaît pas, dont on, on ne connaît même pas l'identité, parce qu'on n'est même pas sûr que si c'est des personnes de sexe féminin comme on le pense. Le plus souvent, c'est des hommes. Et après, maintenant, on tombe dans le panneau. Monsieur Haruna, merci beaucoup. Merci à vous aussi. Voilà l'ingénieur en informatique Haruna Momouni sur euh, euh, le cyberchantage à travers des réseaux sociaux comme Facebook, WhatsApp, Skype et bien d'autres. Et c'est sur ce prend fin ce forum d'aujourd'hui. On se retrouve demain avec d'autres nouvelles, seules à la même heure et aux mêmes fréquences. Bonne soirée.